cet acte de solidarité. Le train express régional se met petit à petit sur les respectives pour le Sénégal. Dans la rubrique économie de ce jeudi, nous parlons des caractéristiques de ces plateformes de production destinées aux entreprises sénégalaises ou étrangères qui seront implantées dans plusieurs localités. Corité, quelques 72 heures encore pour passer sa commande chez les tailleurs. Si certains ont déjà fait le plein, d'autres attendent de voir les clients au marché Croyoff. C'est presque le calme plat dans les ateliers de couture aux HLM, c'est la course contre la montre pour honorer les engagements pris. Bienvenue et bonsoir à tous. Le président de la République apporte le soutien de l'État aux pêcheurs de Saint-Louis après l'arraisonnement de leur pirogue en Mauritanie. Le chef de l'État a tenu à leur euh, apporter le réconfort nécessaire. Les 629 familles concernées ont reçu 2 milliards de francs CFA et des équipements. À Gendar ou Gokumbat, les pêcheurs se sont voulus reconnaissants. Papiram Saint-Louis et ses figures emblématiques offrent l'image d'une ville centenaire devenue une des locomotives de l'économie maritime sénégalaise. De Gorumach à Ghetnar, cet endroit mythique bercé par l'univers exceptionnel des pêcheurs saint-louisiens vit des instants historiques. Jamais de mémoire de Saint-Louisien, une action humanitaire de cette envergure n'a été réalisée pour l'équipement, mais surtout pour apporter soutien et réconfort à des pêcheurs dont le désarroi de retour de Mauritanie. 89 amon, mon maître l'ol Simoli, 2001 am mu metti lol ci moli tay tey 2017 yalla suñu borom dogal ñetti président yu wuté ño sék at yi ma lim ku nek amna no noo sa askan waye yow ni nga taxawoo sa askan yamul ak ben taxaway C'est déjà arrivé en 1989 et en 2001 mais jamais on n'a eu un soutien et une assistance de cette dimension. xam nga gis. Aujourd'hui, tout le monde sait à quel point vous tenez aux pêcheurs. Plus de 600 familles reçoivent ce jour une assistance de plus de 2 milliards de francs CFA. Une assistance qui se traduit par des soutiens financiers et un rééquipement des pêcheurs qui sont rentrés bredouilles de la Mauritanie la cérémonie qui nous unit aujourd'hui témoigne de mon ambition de bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, fondé sur le travail, l'équité et la solidarité. Elle confirme ma volonté d'apporter le réconfort nécessaire à tous les citoyens sénégalais qui sont en situation difficile. Au-delà de cet événement qui marque la concrétisation de mon engagement à soutenir nos compatriotes pêcheurs revenus de Mauritanie. Le président Macky Sall a saisi cette occasion pour magnifier la bravoure et l'expertise des pêcheurs du Guetnard. Il joint l'acte à la parole et fait beaucoup pour les pêcheurs du Sénégal à travers notamment une subvention de d'un million de francs CFA sur chaque moteur de pirogue. À ce jour, plus de 5000 acquis ont été signés et plus de 000 moteurs déjà livrés aux pêcheurs de tous les horizons du Sénégal, soit un appui de plus de 3 milliards que l'État a déjà donné à tous les pêcheurs du Sénégal. Et vous avez aussi bien voulu, Monsieur le Président, généraliser cette subvention à 20 000 pirogues lors de l'inauguration du quai de pêche de Potou. Pour toutes ces actions au nom des pêcheurs, nous disons merci, Monsieur le Président. À Saint-Louis, l'assistance humanitaire rejoint la trajectoire d'une vision porteuse de croissance. C'est parce que le président Macky Sall a donné aux pêcheurs de retour de Mauritanie de nouveaux équipements et des moyens pour se relancer dans leurs activités économiques l'assistance financière et matérielle d'un montant de 2 milliards 28 millions 790 000 francs CFA accordée aux vaillants pêcheurs revenus de Mauritanie vise à renforcer les activités économiques de la région et à faciliter la réinsertion sociale de nos compatriotes. Le volet financier concerne 629 familles, à raison de 2 millions par famille, soit un montant global d'un milliard 258 millions de francs CFA. Quant au volet matériel, il est constitué de 461 moteurs, d'un coût global de 770 millions 790 000. Cet appui exceptionnel vient s'ajouter aux mesures phares déjà prises en vue en vue de moderniser le secteur de la pêche érigé en secteur prioritaire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette dynamique de performance sera donc maintenue pour valoriser l'important potentiel halieutique du Sénégal, dans un contexte où le poisson réapparaît le président Macky Sall exhorte les pêcheurs à bannir la surpêche qui cause d'importantes pertes post-capture. Il s'agit d'adopter des mécanismes de régulation de la pêche en vue d'accroître les revenus et de préserver les ressources naturelles. Le président de la République s'est rendu aux parcelles assainies. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation au ministre de l'économie, des finances et du plan. Amadouba a perdu sa mère Sorna Mariam Bal dans la nuit du mardi au mercredi. Une démarche de compassion hautement saluée par la famille éplorée, à Khan. Malgré la forte délégation ministérielle qu'il avait représentée à la levée du corps, le président de la République a tenu à faire le déplacement au sortir du Conseil des ministres. À l'UNG6 des parcelles assainies, le chef de l'État est venu compatir à la douleur de son ministre de l'économie et des finances, Amadouba, suite au rappel à Dieu de sa mère, Sorne Mariembal. Devant ses parents, amis, voisins et devant tous les parcellois, le président Macky Sall a présenté les condoléances de toute la nation. Il a par ailleurs témoigné de la rigueur et de la persévérance du ministre dans la conduite des dossiers de l'économie sénégalaise. Le président de la République le réaffirmait également devant l'assistance la confiance qu'il place en Amadouba en l'investissant tête de liste départementale de Benno Bokuyakar à Dakar pour les prochaines législatives. Au nom de Amadouba et de sa famille, c'est Tcherno Madani Muntagatal qui a reçu les condoléances du chef de l'État le guide religieux d'implorer Allah pour la rétribution de cette action. Une démarche de foi qui participe du raffermissement des relations de voisinage et de compagnonnage, une des qualités d'un bon musulman. La forte mobilisation des Parcellois a aussi été saluée. Elle témoigne des bonnes relations que entretient avec ses populations, ses actions humanitaires, sa générosité et la solidarité dont il fait montre à l'égard notamment des démunis et des religieux de toute confession, autant de choses qui justifient autant de monde et la présence de toutes les familles religieuses. Et c'est à shérif Abdul Talib Tijani qu'est revenu l'honneur de formuler des prières pour le repos éternel de l'âme de la défunte, prière aussi pour la réussite des projets et défis actuels et futurs, prière pour une stabilité une paix durable. Les élections législatives prochaines s'invitent dans les programmes de lutte contre les inondations. Les bureaux et lieux de vote seront sécurisés et dégagés en cas de forte pluie. Les mesures transitoires de lutte qui sont en cours donnent aussi une large part aux régions. Près de 2 milliards seront mobilisés pour un hivernage 2700 dégâts. C'est là quelques mesures prises cet après-midi au cours d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Autour du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah les pouvoirs publics, leurs partenaires et les populations concernées. Ils sont en ordre de bataille pour un hivernage 2017 sans inondation, ou tout au moins avec des prévisions idoines et des moyens de riposte adéquats. Dans les stratégies, les régions sont bien présentes, c'est notamment le nord, le centre et l'est du pays. Il y a une équipe qui doit se déployer pour aller rapidement au niveau de Tamba pour voir comment aujourd'hui mettre rapidement, soulager les populations d'abord par les mesures euh, urgentes, déjà par rapport aux prévisions que les régions nord euh, feront l'objet de, de fortes pluies cette année, ce qui nous pousse aujourd'hui à agir rapidement euh, et immédiatement pour en tout cas soulager toutes ces populations. Il a beaucoup insisté sur la digue de Matam qui cause énormément de difficultés aux populations de Matam en période euh, euh, euh les mesures aussi qui doivent être prises à Kafrine. On sait que Kafrine est, dans une, est, est dans une Calendrier républicain oblige, les inondations et les élections ont occupé une bonne partie des échanges tout simplement parce que les législatives du 30 juillet prochain vont se dérouler en plein hivernage. Avec la matrice d'action prioritaire, beaucoup d'actions sont prises en charge concernant surtout la sécurisation des, lieux de vote, euh, c'est-à-dire les écoles et les bureaux de vote, puisque nous savons que cette année, avec cet, hivernage, ça, va, ça, va, ça coïncide avec euh, des élections législatives. Donc, le devoir du citoyen, c'est de se lever et librement aller exercer son, droit, son devoir citoyen. Donc les, lieux de vote, les écoles et autres feront aujourd'hui une attention particulière pour la prise en charge des mesures transitoires pour permettre à ces populations de s'acquitter à leurs devoirs citoyens. Près de 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour passer le cap hivernage 2017 en toute quiétude. C'est là juste des mesures transitoires et conjoncturelles. Le programme décennal de lutte contre les inondations suit son cours normal avec des résultats salués par tout le monde. Le directeur général de l'APICS a effectué une visite sur les chantiers du train express régional. Il a constaté l'état d'avancement des travaux. Les entreprises étrangères et sénégalaises sont à pied d'œuvre pour réaliser cette infrastructure reliant Dakar Diamniadio à l'aéroport euh, international Blaise Diagne, euh, la prend date. Le TER sera livré en janvier 2019 à Wandiaïa. Après le lancement officiel des travaux du train express régional par le président de la République, son Excellence Macky Sall, le projet du TER est entré dans sa phase de mise en œuvre. On réalise les travaux, donc les emprises sont libérés à date, on est en avance par rapport à notre planning et on continue à confirmer et affirmer qu'en toute rigueur, le 14 janvier 2019, le Sénégal verra son train qui démarrera et qui sera inauguré par son excellence président Macky Sall. J'ai parlé du tracé de l'autoroute à péage. Pas que le TR va impacter les populations de l'autoroute à péage, je voulais dire simplement que le tracé du TR est quasiment parallèle à celui de l'autoroute à péage. Donc les Sénégalais auront demain le choix d'emprunter le tout à péage sur son véhicule ou de prendre le TR s'ils ont le choix de le faire. C'est dire simplement que peut-être que le tout à péage s'adresse à une couche de population bien déterminée. Les 30 000 étudiants qui vont aller demain à Diamniadio, parce que l'université Amadou va sera livrée bientôt. Les 30 000 étudiants, j'imagine pas qu'ils vont y aller avec des voitures personnelles. Donc le TR est là pour apporter une réponse à cette couche de population, mais pas pour impacter le trajet de Un train toutes les 10 minutes et une vitesse allant jusqu'à 160 km par heure, le TER est un moyen de transport qui respecte les standards internationaux en termes de mobilité urbaine. La durée des travaux est estimée à 26 mois pour la première partie entre Dakar et Diamniadio la seconde phase, reliant Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, porte sur 19 km. En 2019, date de sa mise en service, le TER transportera jusqu'à 115 000 passagers par jour et desservira la banlieue de Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. À Diamniadio, les engins sont déployés sur la ligne afin d'assurer le tracé. Des centaines d'ingénieurs sont à pied d'œuvre sur le site pour garantir le respect des normes de qualité et des délais coup de projecteur sur les zones économiques spéciales. Il y en a au moins 4500 dans le monde et le Sénégal est en train d'en implanter une dizaine, plus d'une dizaine, pour mailler le territoire et offrir aux investisseurs toutes les commodités et facilités fiscales. Les zones économiques spéciales, différentes des domaines industriels, seront des plateformes de production à forte intensité de main-d'œuvre. Le Sénégal a l'heure des zones économiques spéciales, enjeux et perspectives, c'est le sujet de la rubrique économie signée à Par zone économique spéciale, que faudra-t-il réellement comprendre Dans les zones économiques spéciales, on veut y attirer des entreprises à caractère d'exportation, euh, pour leur conférer donc ce qu'on peut appeler, disons, des avantages où il y a euh, pas d'impôts, il y a aussi euh, un environnement attractif qui leur permette, disons, d'utiliser l'infrastructure pour tout simplement comme plateforme de production. Je ne peux pas garantir à l'investisseur qui arrive dans mon pays de pouvoir trouver partout dans le pays ce qu'il a dans son pays. Mais je peux lui garantir que quand il quitte l'aéroport, là où il va investir, là où il va travailler, jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays, tout ce qu'il va rencontrer, ce sera du niveau de son pays. Euh, c'est ça le principe des zones économiques. C'est-à-dire, euh, si vous prenez la zone de Djamnyadjo, vous avez l'aéroport de Dias, vous avez l'autoroute à péage, jusqu'à la zone économique. Euh, dans tous ces domaines-là, l'investisseur va trouver des éléments de classe internationale. Une classe internationale, a-t-on dit et c'est à ce niveau que le Sénégal compte positionner ses zones économiques spéciales une trouvaille différente du domaine industriel. La différence entre une zone économique spéciale euh, et un domaine industriel, une c'est le caractère spécial. Quand on parle de zone économique spéciale, on entend qu'il y a des choses qui sont données de façon spéciale aux, investisseurs ou bien aux entreprises qui sont dans ces zones-là. Les zones économiques spéciales, de façon générale, ont des avantages euh, fiscaux et des avantages non fiscaux qui ne sont pas conférés aux domaines industriels qui sont du commun, de façon générale. Des avantages assimilés à des incitations et facilités fiscales qui viennent compléter le dispositif juridique qui réglemente les zones économiques spéciales. En termes de dispositifs d'incitation applicables, il y a les dispositifs de nature fiscale et douanière, il y a les dispositifs euh, liés aux facteurs de production, et particulièrement la question de l'électricité et la question du, droit du travail. Ce travail de développement et d'implantation des S doit être sous-tendu par des facteurs non négligeables pour leur réussite afin d'atteindre les standards internationaux. On constate que dans ces pays, vous avez un engagement politique fort, c'est-à-dire le leadership. Euh, le président de la République, le Premier ministre, toute l'administration est mobilisée pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un succès. Le deuxième élément, c'est le capital humain. Il faut que le pays possède des qualifications techniques. Donc il faut former des, ouvriers qualifiés, former des, ingénieurs euh, dans certains domaines, former des techniciens supérieurs. Euh, c'est ce travail qu'il faut faire. Troisièmement, il faut des infrastructures. Pas seulement, euh, disons, à Dakar, mais il faut que dans toutes les zones où on pense demain qu'on aura des zones économiques spéciales, pouvoir planifier des investissements d'attrait, mais également être en mesure de faire des infrastructures d'accompagnement. Le quatrième élément, bien évidemment, c'est l'efficacité de l'État. Ça aussi, c'est important. L'accès au marché international aussi est important parce que si vous prenez le Sénégal, pour pouvoir exporter, il faut que le Sénégal ait des facilités d'exportation sur certains marchés. Le Sénégal a pris l'option d'implanter ces zones économiques spéciales en fonction des potentialités des localités de Dias, Djamnyadjo, Sanjara, Saint-Louis, Casamas, Kaulak, soit une bonne dizaine d'ores et déjà, on sait de manière globale que les agropoles vont être situés au nord, au sud et au centre par rapport aux différentes problématiques, aux besoins économiques qui existent dans cette zone-là et aussi par rapport au fait qu'il euh, y a des ressources abondantes dans ces zones par rapport aux agropoles. Pour tout ce qui est industriel, les zones vont être situées au proche des, euh, infrastructures euh, routières, des infrastructures de transport et de communication. En général, elles ne sont jamais éloignées des centres, des mégalopoles, pour pouvoir bénéficier aussi du marché attrayant qui est dans ces, lieux-là. Pour bénéficier de ces marchés, le Sénégal s'est inspiré des expériences de plusieurs pays qui ont expérimenté les S. Euh, il y a une foison de zones. Aujourd'hui, dans le monde, on compte à peu près 4500 zones avec euh, une prolifération au niveau de la Chine qui a vraiment réussi son, ses programmes de zones et qui utilise les zones comme incubateur test pour pouvoir euh, aller à des réformes beaucoup plus globales, telles que vous l'avez vu dans le dernier rapport. L'Éthiopie aussi a entamé des réformes qui sont majeures, qui sont très très fortes, ainsi que l'île Maurice qui bénéficie aujourd'hui d'un retour d'expérience qui lui permet de vendre cette expertise au niveau du Sénégal. Et l'ensemble des pays qu'on a choisis ont des particularités sous-jacentes avec le Sénégal qui permettent de dire que on a le potentiel existants pour pouvoir euh, être leader dans, la zone euh, sous-régionale qui est l'EMOA à travers la CDAO. Ces zones économiques spéciales seront des sources réelles de création d'emplois et vont placer le pays dans une dynamique de croissance continue 3427 enseignants des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle vont changer de poste à la rentrée prochaine. La Commission nationale de mutation des personnels L'enseignant vient de publier la liste provisoire des postes attribués. En fait, cette année, les femmes se sont bien positionnées dans les postes de responsabilité. Pape Collingham. Sally Portidal, dans la commune de c'est dans ce site que les agents des directions des ressources humaines des ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les syndicats d'enseignants se sont réunis pour étudier les demandes de mutation des enseignants. Pendant une semaine, la commission s'est penchée sur les 19 498 dossiers de candidature qui ont été déposés. Euh, le mouvement national est une des assises les plus importantes du système éducatif. On mute les enseignants euh, qui, euh, se, qui se mouvent tous les deux ans pour aller d'une région à une autre ou bien d'un établissement à un autre pour la prise en charge des enseignements apprentissages dans le système éducatif. Ce que nous venons de faire est un résultat provisoire il faudra aux enseignants de les consulter, après consultation, faire des recours. C'est à partir de ce moment seulement que nous pouvons faire euh, une appréciation globale pour dire que c'est positif largement ou négativement. Dans le secteur de l'éducation, après deux ans de service, l'agent a le droit de demander à changer de poste. Seulement, si demande obéit à quelques critères. Faire deux ans de service d'abord dans une localité pour pouvoir participer au mouvement national. Maintenant, il y a des pièces justificatives qui constituent un dossier pour être éligible. Pour cette présente session du mouvement national, 427 postes sur les 78 000 demandés ont été attribués et les femmes sont bien servies dans les postes de responsabilité. Nous étions à 3 491 euh, demandes satisfaites au total. Chaque année, nous nous, fixons une cible et cette année, nous sommes au-delà même de la cible indiquée parce que nous sommes à 139 postes de responsabilité attribuées aux femmes. Tout cela pour magnifier euh, la dimension genre, mais également la dimension sociale. Au terme de vos travaux, il m'a été donné de constater que les objectifs assignés à cette importante activité des départements euh, les, départements ministériels en charge de l'éducation et de la formation sont largement atteints. Les résultats issus de vos consultations ont un caractère confidentiel et provisoire tant qu'ils n'ont pas été validés par l'autorité compétente. Avec le mouvement national de mutation des personnels de l'éducation, le défi de la démocratisation des ressources humaines est relevé Reste maintenant la question de la rationalisation. Merci à tous. Merci. Le Canada célèbre son 150e anniversaire cette année. Son ambassadeur à Dakar était en visite cet après-midi à la RTS en entretien avec le directeur général. Elle a salué la coopération entre son pays et le Sénégal. Son Excellence Lise Filiatro et Racine Tala ont révisité 55 ans d'amitié entre nos deux pays, Tierno aussi ici des échanges autour d'un pays ouvert et d'un pays qui marche. Le directeur général de la RTS et l'ambassadeur du Canada à Dakar évoquent des valeurs et des défis partagés par le pays de la Teranga et celui de l'érable. Le prétexte de cette rencontre, la célébration du 150e anniversaire du Canada. La chose à connaître, c'est que notre fête nationale est le 1er juillet. Et on fête 150 ans parce qu'en 1867, quatre provinces se sont unifiées. On célèbre à, travers ces 150 ans d'existence euh, essentiellement quatre grandes thématiques. L'inclusion et la diversité. Le Canada s'est vraiment bâti par une grande diversité culturelle et, euh, historiquement euh, un pays très diversifié qui fait notre force. Euh, on célèbre également la jeunesse. Euh, tout comme au Sénégal, on croit que c'est important d'investir dans sa jeunesse et que la jeunesse s'investisse aussi euh, dans son pays et dans le futur. C'est notre force vive. On célèbre également notre réconciliation avec les peuples autochtones et l'environnement. Une année de célébration, elle marque aussi la 55e année de relations bilatérales entre les deux pays. On a vraiment euh, diversifié et enrichi euh, nos relations. Euh, et maintenant, je peux dire que vraiment avec le Sénégal, nous formons un partenariat dans de multiples domaines. Pour un développement durable, le Canada va accentuer ses actions sur la femme, une politique qui colle bien avec la politique genre de notre pays. Au Sénégal, la parité est une réalité. Voilà une autre valeur que l'on partage avec le Sénégal, euh, cet intérêt pour une égalité entre les femmes et les hommes. Euh, notre politique féministe d'aide internationale euh, veut mettre les femmes et les filles au cœur de notre action parce que nous sommes convaincus, et en fait ce sont les données probantes qui le disent, que c'est la meilleure façon de réduire la pauvreté et de également augmenter la paix et la sécurité. Pour la coopération économique, le Canada est prêt à accompagner un pays qui certainement va émerger dans une perspective d'exploitation de ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole. Le Canada vraiment euh, a, développé sa prospérité avec euh, les ressources naturelles et c'est important de le faire euh, de façon durable en, en tenant compte de l'environnement et des caractéristiques sociales également. Alors, on collabore déjà avec le Sénégal à, ce niveau, d'abord parce qu'on a des entreprises canadiennes qui sont ici, euh, et qui euh, ont des programmes de responsabilité sociale des entreprises. Mais on collabore aussi en matière d'échange de, savoir-faire, euh, de formation technique et professionnelle. nous avons plus récemment développé de tels types de programmes pour vraiment former les ressources humaines, la main-d'œuvre qui est nécessaire pour œuvrer dans ces secteurs au Sénégal. Cette célébration est sans nul doute celle de la diversité. Le Canada une terre d'accueil qui salue la marche d'un pays africain en pleine mutation. Après avoir pris congé du directeur général de la RTS, l'ambassadeur a fait un tour dans les locaux de la télévision, de la radio. Elle a aussi apprécié les installations techniques de la radiodiffusion, télévision sénégalaise. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'entretien que l'ambassadeur du Canada au Sénégal a accordé à la RTS dans le cadre de sa visite dans nos locaux. Au Sénégal, près de 33% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. Le phénomène touche plus le monde rural que les zones urbaines. Pour y apporter des solutions, World Vision a organisé un panel afin d'échanger sur le thème l'engagement des leaders religieux dans la lutte contre le mariage des enfants d'Amsila. World Vision continue ses séries d'activités dans le cadre de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain. Dans cette rencontre, l'ONG a réuni entre autres des chefs religieux de différentes obédiences pour les engager dans la lutte contre le mariage des enfants. Nous avons par exemple soulevé la question surtout du mariage euh, des enfants qui est devenu un fléau et aujourd'hui tout ce que nous avons entendu ici comme argument soulevé par les religieux, soulevé par aussi certains éminents scientifiques présents dans cette salle, montrent que euh, vraiment, euh, ça devient vraiment grave pour, pour, pour, pour, notre pays. Au Sénégal, près de 33% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. Les régions de Kolda, Tambacounda, Matam et Louga sont les plus touchées. Pour jouer leur partition à l'éradication du fléau, les leaders religieux s'engagent. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire du développement sans les leaders religieux. Donc ce sont des porteurs de voix, des leaders d'opinion et ils influencent beaucoup de personnes. Il faut que ces acteurs trouvent des solutions par rapport à la sexualité précoce des enfants. Là aussi, nous sommes des acteurs et leaders religieux. Nous parlons de mariage des enfants ou mariage précoce. Mais parallèlement à cela, ça fait partie de notre mission de parler des pratiques sexuelles précoces. World Vision, dans le cadre de sa campagne Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants, cherche au cours des cinq prochaines années à avoir un impact positif sur la vie des enfants vulnérables exposés au mariage précoce. Croyant que les changements durables dans la société nécessitent de changer des attitudes, les comportements et les croyances, nous allons combattre les normes sociales, les attitudes et les croyances qui encouragent et tolèrent la violence contre les garçons et les filles. En juin 2016, le gouvernement du Sénégal avait lancé la campagne mondiale à l'instar de la communauté internationale, la campagne nationale pour la lutte contre le mariage des enfants. Donc c'est un geste fort que World Vision adresse au gouvernement du Sénégal mais aussi euh, témoigne de son accompagnement à la politique nationale qui défie à travers la vision du chef de l'État. World Vision encourage les communautés religieuses de toute obédience à prendre des mesures dès aujourd'hui pour mieux comprendre les conséquences des mariages précoces et à mettre fin à la violence contre les enfants. Nous sommes à quelques 72 heures de la fin du ramadan. Après, c'est la fête, la corité. Alors, comment se passe la préparation de l'événement du côté des tailleurs Si certains affichent le sourire, d'autres attendent de voir les clients. Même constat chez les revendeurs de prêt-à-porter. Nos équipes sont allées euh, à deux grands marchés, HLM et Grand Yoff. Anne-Marie Gomis. Marché Grand Yoff marché HLM, deux grands espaces de commerce. À quelques jours de la Corité, l'ambiance diffère d'un lieu à un autre. À Grand rien n'indique que la fête se prépare. Au coin des tailleurs, pas l'ombre d'un client, c'est le calme plat, à un point d'entendre le son de la radio, de la musique religieuse, pour rehausser le moral très bas de ces tailleurs le travail euh, aujourd'hui, euh, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Euh, nous, on est, là, on est là, on, travaille, mais on n'a rien vu. Mais j'espère que c'est la crise. Les gens, les gars, ils mais de côté, le monde. Ailleurs, au marché HLM, le décor est tout autre. Une forte affluence, l'ambiance des grands jours. Au centre commercial Elisabeth Diouf, c'est déjà la fête chez les tailleurs. Ça se passe bien pour le moment. On ne se plaint pas. On remercie le bon Dieu. Vraiment, tout se passe bien. On travaille à plein temps depuis quelques jours. Mais pas pour tous. Ce n'est pas encore le grand rush, mais on espère que ça va aller d'ici la fête. Hein. Dans tous les cas, c'est la course contre la montre pour honorer les engagements. Chacun dans son domaine sa faire pour livrer les commandes dans les délais. Nous commençons à temps pour livrer les commandes dans les délais. Nous sommes en bonne voie. Notre travail consiste à confectionner la broderie et la garniture. Pas de tenue exposée, pas de clients également trouvés sur place. Les habits déjà confectionnés sont emballés, prêts à être livrés. Des commandes en gros, une des spécialités de ce marché sous-régional. Une partie est exposée sur la voie par les revendeurs. Là également, les avis sont partagés. Les clients viennent au compte goutte On ne sent pas encore la fête. Les prêts à ils sont très prisés, surtout en cette période de fête. On s'en sort vraiment bien. Les quelques rares clientes trouvées sur place expliquent leur choix. Non seulement c'est moins cher, mais en plus les tailleurs ne respectent pas les rendez-vous. C'est plus pratique pour nous qui sommes très éloignés. Nous n'avons pas assez de temps matériel pour aller chez le tailleur. Une large gamme est proposée à la clientèle, tout comme chez les tailleurs qui font le nécessaire pour satisfaire la nombreuse demande pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Et puis cette importante saisie par les services du commerce intérieur de Pékin de 1500 cartons de dates avariées d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Ces produits alimentaires euh, prisés en cette période de ramadan étaient frauduleusement mis dans le circuit commercial. Les auteurs ont été appréhendés et la procédure est en cours. Voici le reportage d'Al diego. C'est un secret de Polichinelle. Le mois du ramadan, période de forte consommation en denrées alimentaires, est aussi la période de tous les dangers pour les consommateurs indélicats. Fort heureusement, les services de la direction du commerce intérieur, notamment le service départemental de Pékin, redoublent de vigilance à cette même période. Dans l'escarcelle, une saisie importante concernant une denrée sans doute la plus prisée du moment. Le service départemental du commerce de Pékin a interpellé des commerçants euh, au niveau du marché Tiaroy en flagrant délit de vente donc, de dates impropre à la consommation, complètement avariée, donc d'une quantité estimée à 1500 cartons, d'une valeur de 23 millions. Oui, 1500 cartons de date d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Par-delà l'importance sur le plan commercial et financier de cette saisie, nous retiendrons surtout les risques sur le plan sanitaire auxquels cette marchandise frauduleuse pourrait exposer ces consommateurs, partisans des solutions de facilité et des produits les moins chers possibles qui font fi de la qualité. Nous retiendrons également l'intention manifeste de frauder. En dehors du fait que donc, euh, il s'agit d'une commercialisation de produits importés pour la consommation, mais nous sommes en face d'une tromperie sur la nature même du produit, dans la mesure où il n'y a pas de conformité entre le produit et l'emballage. Donc sur l'emballage, il est mentionné pas de date, ce qui n'est pas le cas euh, en second lieu, le produit devait censé être présenté sous forme de boîte. Donc c'est 12 boîtes, normalement 12 boîtes de 1 kg, ce qui n'est pas le cas parce que nous sommes en phase de produit euh, qui est présenté en vrac. Et l'usage devait être industriel. À l'endroit des consommateurs, la répétition, c'est bien connu, est une pédagogie. Soyez avant tout votre propre contrôleur, le premier défenseur de vos droits avant de saisir les associations ou les pouvoirs publics. Quelle que soit sa volonté, quel que soit son dynamisme, aucun État ne peut nourrir la prétention de mettre en contrôleur derrière chaque commerçant véreux et cupide. L'ambassadeur de France au Sénégal a clôturé euh, la série de Nogo qu'il organise depuis le début du mois de Ramadan. Euh, le diplomate de rappeler l'attachement de la France à un islam de paix et de tolérance. Célébrer ce moment de la rupture du jeûne pour l'ambassade de France, c'est se joindre à l'élan de solidarité des Sénégalais observé depuis le début du ramadan. Des moments de partage, mais aussi d'échange sur des idéaux que les deux républiques ont en commun. C'est le troisième Dogo que nous euh, fêtons ici euh, à la résidence. C'est l'occasion euh, pour nous de, rappeler quelques évidences. D'abord que l'islam est la deuxième religion de France et qu'il est important euh, de marquer euh, notre attachement au respect euh, de la laïcité, d'une laïcité ouverte, respectueuse des croyances ou des non-croyances de chacun. Et de la même manière, il est important dans un pays comme le Sénégal, qui professe un islam de paix, un islam de tolérance, de rappeler euh, notre attachement à cet islam-là. Cette année coïncide avec la fête de la musique. C'est pourquoi l'ambassade de France a fait venir l'artiste Merdi d'Agadir qui a gratifié le public d'un beau spectacle. Une musique euh, qui parle bien au-delà du Maroc, qui parle à beaucoup de régions euh, euh, d'Afrique, qui parle, je crois, aussi au cœur euh, des Sénégalais. Qui nous, il nous fait l'honneur de venir euh, ce soir. Diplomates, artistes, organisations non gouvernementales, journalistes se sont joints à cette fête qui clôt la série de Ndogo organisée par l'ambassade de France à Dakar depuis le début du mois de Ramadan. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène en Afghanistan, en France, à RDC. Mais avant, on tourne en Afrique du Sud où la Cour constitutionnelle a tranché sur la question du vote à bulletin secret à l'Assemblée nationale. Le récit de Philomène Constance Diagne en RDC, plus précisément à Kalaou, à 12 km de Béni, dans le nord-est du pays. Des affrontements ont eu lieu, des tirs à l'arme lourde ont été entendus. Un autre groupe de miliciens a pris d'assaut la ville. L'armée pointe du doigt les groupes d'autodéfense Mai qui opèrent dans les environs. La cible semble être l'auditorat militaire où sont détenus des combattants des ADF, un autre groupe rebelle, le cachot de la police nationale et la prison des femmes. Un bilan provisoire fait état de six assaillants tués et trois civils blessés.